Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues, Monsieur le ministre, je voudrais saluer les efforts importants consentis par l'État pour permettre au secteur de la formation professionnelle de jouer pleinement son rôle dans le renforcement de l'employabilité des jeunes et des femmes. Comme vous le savez, Louga est une zone d'immigration où les jeunes ont besoin d'être formés et accompagnés pour l'insertion dans le milieu professionnel. En effet, avec la mise en œuvre des projets d'investissement, de formation, d'insertion, PFI, des projets d'insertion, PI, et des projets de formation de courte durée, FCD, les deux centres CFP, CFAM et le CFP CRETEF dont dispose le département de Louga ont, pu former beaucoup de gens, monsieur le ministre, notamment avec l'introduction de nouvelles filières. Monsieur le ministre, nous vous félicitons pour tous, tous ces acquis et nous vous demandons encore plus, plus de soutien aux initiatives. Des sorties avec les mécanismes de financement et la ré absorption du déficit en ressources humaines, de formation notamment dans les centres qui se trouvent à Louga. Enfin, la dotation du CEFAM, seul centre de formation dans les filières industrielles, d'une unité mobile de formation permettra de toucher les zones reculées du département de Louga. Monsieur le ministre, le conseil départemental a réalisé en 2017 l'ex-locaux du CRETEF à un coût de 38 millions pour, faire une centre de transit hein, déjà disponible pour préparer leur insertion au milieu professionnel. Monsieur le ministre, je vous bobo dara du dara ah ñi ngi and di xex bu jot rew voilà kon yow sunu xet nga fo nek dañ lay ñaan nga réussir bu baaxa baax ak sunu xarit mawdo malik mi nga xamanteni ñi ngi ñaan mo aussi ngeen dolel ko ndax gis naa ne mi ngi commencé di def liggéey bu rëy rëy mais dama gis temps yi diggatuma anamo bu baax ni ma ko daan déggee ca bu jëkk te ñun soxla nañ ko feneen soxla na ko ndax li ma wax ci Louga rek dëkku immigration la te war nañ jàppalee xale yi ñu géem jublu ci liggéey bi bu leen formé ba pare ñu am ci lu ñu jàpp monsieur le ministre je pense que d'ici le quinze ou bien le 16 maa ngi lay xaar à Koki incha dama fekk ndax foofu sama département la kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam